Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les collaborateurs du ministère, collègues. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous adresser mes félicitations à la suite de la promesse euh, diplomatique diplomatico-religieuse que le gouvernement du Sénégal a réalisée avec la restitution par la France du sable du Grand Pérou, l'un des plus grandes résistances religieuses, cher Omar Foutuouka. Saisissant l'opportunité que m'offre cette dynamique, je voudrais du haut de cette tribune de l'Assemblée nationale, c'est le président. Convoquer l'histoire du Sénégal et lui trouver sa place dans la diplomatie de notre pays. Il s'agit du retour de la restitution, je devais dire, des centres de notre compatriote Sylvia Nadeyal de Avant de présenter ce prétexte, qui, je pense, revêt la plus haute importance pour le Sénégal et au-delà pour l'Afrique, je voudrais saluer la mémoire du professeur Amidia et lui rendre hommage car il a porté ce projet jusqu'à son dernier jour. Pour revenir à l'objet de ma demande, Sidia de fut baptisé Sylvia Léon Dieu par Feder, qu'il adopta et l'envoya à l'école des otages de Saint-Louis puis au lycée impérial d'Alger. Il est né deux ans après l'accession au trône de sa mère Katéa Longouch, qui succéda à sa sœur Nyembet et fut installé le 1er octobre 1848 à guerre. C'est en 1858, alors qu'il n'avait que 10 ans, qu'il fut nommé chef de cercle de, l'air. Euh, Il était élève et son cousin Yakumba exerçait alors en son nom en attendant qu'il soit à de prendre son commandement. Il fut nommé chef supérieur du wallon le 24 mai 1861. Il est certes, monsieur le ministre, originaire du wallon, mais s'il y un héros national, apparenté à toutes les régions par sa mère, mais aussi son père, le prince Béthi-Diop Sakurambakapa. Bien qu'il soit formé à l'école française, il fut le premier nationaliste à comprendre l'enjeu de la colonisation. La colonisation ne mène jamais à l'émergence. Soutenu par son cousin Elie Fatim, Elie prince du Transat, il écrivait à tous les chefs indigènes de l'époque pour former une coalition afin de freiner la domination coloniale. Il fut trahi et capturé. Il fut déporté au Gabon le 23 février 1876. Sa mort annoncée le 22 1876 à Nyengenenge, au Gabon, reste une nébuleuse car la thèse du suicide improbable a bien des égards avancés. Monsieur le ministre, le retour de ces cendres au Sénégal est singulier. Et cela sera un tournant décisif dans l'histoire du Sénégal et de l'Afrique. Nous pouvons bien l'évoquer lors du passage du ministre de la Culture, mais de notre point de vue, ce tour est une question de souveraineté nationale. Monsieur le ministre, euh, si Dieu, n'était yàlla defe naa héros national la tey bokk nag ak région li nga xam la communauté yi di chercheurs universitaires université

c'est le président de l'Assemblée nationale mu nekk tey ci minute Assemblée nationale parce que Assemblée nationale affaire colon yi la woon donc kenn sañu fi woon tudd Sidy loolu it benn point la tey ci ni ñoom moom suñu bopp dellu si li nga xam ne nag moom lañ koy dellu see ndax ni mu demee ak ni mu findoo woon ni domination coloniale bi du yóbbu Sénégal du yóbbu Sénégal fenn ba tax mu tey du waalo rek mu ma war a yóbbu pour laaj ko mais ba Afrique ndax ñaari yaay bokk ndey ak bàyyi ñëpp dafa ndàkk kon monsieur le ministre tey su fekkee ne université yi ñëpp jóg nañ taxaw di laaj ñu ngeen dimbale ñu gouvernement bi dimbale ñu ñu gën a yónni ci président de la république ni ko gannaaw bi nga xamee ni saabu Cheikh Omar bi ñëw na parce que loolu dafa symbolique loolu mooy France nangu na ne moomatul loolu mooy France nangu na ne li mu ñu yoree loon dinañu ko delloo loolu mooy ñun jëlaat nañu suñu bopp moomaat nañu suñu bopp dinañ jël suñu njaboot 跟你们合作。